Amis de la Fada, bonsoir et bienvenue sur votre émission préférée Tous à la Fada, Irsi Kala, Damagaram, Damagaram Mataram Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Tous la Fada du studio Kalambou qui pimente vos week-ends. Ce jour, dimanche, nous sommes à Zander. Je viens de le dire, je suis à Garbo au micro et la technique est assurée par Abdul Kader Chombiano Chomb le King, le technicien, le magicien de la Fada. dama garam furta jay ir garam fondo goyde surod ko karo karan nan ka tur serun kon fadara ir hangan ke kayan gogir hangan mo studio kala ngwa radio wojitin nin ka bon muna gaishe ku ir garam fondo goyde surod ko karo aujourd'hui nous allons parler de la thématique les enfants nigériens face aux pratiques néfastes de la mendicité comment gite kwanta mata daino gite gwa da barkar seno energi na isa ne o zandera ce soir la fada et à la maison des jeunes de Zandera. En effet, quand on parle de la mendicité au Niger, il n'est pas rare de citer la région de Zander, notamment le département de Kanchi. Zai kan da barkar yan sani son Justement, c'est pourquoi aujourd'hui la FADA est ici pour voir comment lutter contre. Matidai nurga ke wududuwa de barkar yango wo Niger kulra wan bin zander kan yene kanche kanche wene wo maga se noen furta je morgun kona. Et pourtant, la région regorge des braves jeunes qui font la fierté de leur famille à travers des activités qu'ils mènent Selon un article de l'UNICEF en date de mars 2020, au Niger, plus de 80% des enfants ont subi une discipline violente. Seulement 6 enfants sur ont un certificat de naissance et 28% des filles sont mariées avant l'ère 15 ans, 76% avant l'ère 18 ans. Et des adolescents en particulier, et aussi, quand on parle de la mendicité, tout de suite, on voit les enfants qui sont impliqués. wani seno irkanewo newo zandar da di mata no igite da mo winno furta ge to kala mo kayan gona kan ninge won kam ko karo kulu han ti barkar yango wo atangam yango o fondara pourquoi les phénomènes persistent quels sont les risques pour les enfants Eh bien les amis la réponse à ces questions c'est dans un instant avec nos invités de la FADA surtout n'oublie pas pas la fada, c'est la chronique musique rubrique et le tout en 35 minutes. Kader Hankal Alors, euh, Florence, parlez-nous de la situation de la mendicité ici, dans la région des Zander. Ok, la situation oui. de mendicité ici à Zander, ça n'est trop de trop. Abun ah ya yawa, il faut que dole a une solution au za a taimaka mutane. kamar par example su almajiran da masu turo su wayan wayansu ba sa bari ba ivon palace sa pepa fini yanzu wanda da kwai nan eh, su shekaran su nawa shekara yara gomsha biyu ah, kan wani ka gan shi ka kalle shi wallahi sai ka kusa yin hawaii tellement que c'est un petit enfant ivon vont envoyer yana cikin kasuwa kana cin abinci ko kana wani wane ne sun zo sun tsaya suna kalle kalle suna wani wane ne a mm. lorke wannan yaran ba su kai ba ya dinno imanto barkar ya mai gona ga zan kai dan barkar yan goro ce ga matka mi shugona na me yasa ana ana nan ga wannan illan to ni dai abu na farko da zan ce da jahilci ma a cikin abun mm. akwai ignorance sino ba a ce ko ina talauci ne yasa haka nan ba tunda wasu kuɗin da suke da suna iya ci da mutum nawa amma yaro ɗan karami mai san kan season kuma akwai influence kin mutane ma haka yanzu kamar wanda su tura su wanda suke can gida suna zamne yaronka in ya tahi ya samo kuɗi dan makwabcinka ya kawo kuɗi ya an zo an yi akwamfanyan shi da kuɗi da wane ne ya gani a ah, il va a sasa ah ça c'est une bonne chose pourquoi ne pas envoyer mon enfant aussi ça veut dire parmi les enfants il y en a qui revient avec l'argent oui okay eh yanzu na na kwade shi nan ga kamar ya des structures ya zo ONG wanda suke accompagnant su juste dai su accompagnant pour ne pas su koma hallo ruwan da suke tayya kamar masu tayya aljekin nan ana kiran su lai zanfan non a kwamfani tunda wasu ba tare da uwayensu bane ba ana bada su ne kwantara suke yi da uwan yaro in ka dana ɗana burkelkitan ga abin da zaka bani in kun tayi kun jima ga abin da zaka bani to in sun zo nan ga wasu basu da uwaye ana siya musu kaya a ba su kuɗi ana ba ma uwayen kamar kuɗi ma wanda za su yi activity don su samu dai su rike diya amfan san ke pobrete ne ya tura suka ta can kenan an baka kuɗi an baka yadda zaka yi activité peut-être eh, ça va t'empêcher d'avoir ton enfant encore yar nga aran mamat kan boroi ne wana faman da ne kan furta je kan yi gisan bol mo zan kai ne kan yi gisan bi mu koi da bayan eh, manti ba bora haira ban na koi borfo nyano iga talfi bora ga din kon da izo da te girin ka ya cinno ni gaino da te girgu ya cinno ni gaino zankay mono kam bore ngon ken di se de bay mo borag chanse no chela ga di bor fo koy akan nor bobo ni zo ko man kan badala agin gite aran se eh, sande eh, president mun kawo gare ku ku ga muna akwai da yawa suke ce a addini ne yasa wannan islam tare se no borago koy c'est parce que c'est la religion il va aller apprendre le coran il faut donner vos enfants et au finish les enfants se retrouvent dans les rues en train de mendier eh, est-ce que c'est vrai c'est la religion ou bien euh, ils font juste comme ça pour euh, faire leur business D'accord. Euh, je pense que bien que je ne suis pas bien placé pour répondre à cette question, mais le peu que je connaisse dans ma religion, je sais que l'islam a interdit la mendicité. Et à un moment donné, on dit que si tu n'as rien à manger, tu pars mendier et que tu trouves ce qui va t'alimenter, tu t'arrêtes selon les recommandations de l'islam. Peut-être demain, si tu n'en as pas encore, tu peux mendier, mais tu ne peux pas passer ta vie à mendier. Ça n'a pas de sens. L'islam n'a pas recommandé ça. Ça n'a aucun lien avec la religion. aussi oui quelle image pour la région Et personnellement ça me fait très très mal oui. Parce que quand on dit Kanté, que ce soit Kanté, Taketa, Tanout, c'est Zender. Et puis quand c'est Zender aussi, c'est le Niger. Ça me fait mal, étant Zenderoise et étant nigérienne. C'est la préoccupation de tout un chacun, tout celui qui est conscient, qui, celui qui aime sa patrie, c'est que ça ne fait pas plaisir. Oui, euh, par exemple, quand on prend en mars 2022, plusieurs milliers de femmes et des enfants ont été refoulés euh, du Sénégal voisin pour dire tous ces mendiants sont originaires du Niger et aussi surtout des Cantiers. Alors, est-ce vrai, c'est comme ça ou Qu'est-ce qui explique vraiment ça selon toi Je dirais que 90% de ces mendiants proviennent des Indères. Et de pourquoi spécialement Zander Cantier Pourquoi, selon toi Le premier point, ça a un rapport avec la pauvreté. Ensuite, mhm. Mhm. la recherche du gain facile. En troisième position, je dirais qu'il y a aussi un manque d'opportunités parce que ça ne se présente pas à tout le monde. voilà. Euh, ici, vous faites partie des structures des jeunes leaders qui militent vraiment pour la cause de la jeunesse. aujourd'hui, c'est les plus jeunes qu'on voit. Euh, soit ils sont mendiants, soit ils sont des guides mendiants. Euh, qu'est-ce que vous, vous êtes en train de faire au niveau de votre structure pour lutter, sensibiliser, pour vraiment finir avec, irrémédier avec la situation Hmm, d'accord. Merci de m'avoir passé la parole. Voilà, vraiment ce qu'on fait pour euh, éradiquer la mendicité de la région des Indiens, c'est surtout les sensibilisations. On fait des sensibilisations à l'égard des jeunes femmes qui sont dans la rue et également des talibés. Parce que ce sont eux qui font la mendicité en fait. Aussi, il y a des partages de publications qu'on fait, comme on vient de parler des réseaux sociaux. C'est très important de revenir là-dessus parce que ça aide. On fait des publications genre c'est pas bon, il faut arrêter. Il faut vraiment, si ça nécessite, aider. Il faut aider. Et surtout, le problème, ça vient d'où C'est la naissance en fait. Les femmes accouchent sans cesse, euh, sans avoir de quoi nourrir les enfants. Donc il faut vraiment pratiquer les plannings familial. Les plannings familial, ça peut aider. Avoir les enfants que tu peux supporter, toi et ton mari. Même si le mari n'est pas là, toi, tu peux gérer. Mais maintenant, tu viens, tu accouches des enfants. Une femme, tu as accouché 10 enfants, tu n'as même pas un revenu mensuel fixe. Comment tu peux les gérer c'est normal que tu les envoies faire la mendicité pour que toi aussi, à ton tour, ils t'apportent quelque chose pour que tu puisses manger. Donc c'est de là où tout ça vient. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là-bas Qu'est-ce qui s'est passé et puis on se retrouve vraiment dans cette situation euh, Présidente La plupart de ces organisations ou structures font des sensibilisations, mais je m'excuse, ce n'est pas à la cible. Qu'est-ce que je veux dire par là et Récemment, nous nous sommes regroupés pour faire une collaboration entre structures pour voir dans quel sens éradiquer au problème de la mendicité. Maintenant, nous avons entamé une procédure. Nous sommes partis voir le gouverneur. Nous nous sommes entretenus avec lui. Il nous a fait comprendre que l'initiative est bonne. Mais quand même, est-ce que les concernés pourront en bénéficier de ce que nous voulons faire. Oui, qu'est-ce que vous voulez faire Nous voudrions faire une sensibilisation, regrouper les leaders religieux et autres, mais il nous a dit non. Il faut vraiment partir rencontrer les concernés dans leur zone, la cible. Les mendiants. Voilà, les, dans leur localité. On se regroupe à une sensibilisation ça ne peut pas impacter. Mais si on se rend dans le lieu, peut-être ça pourrait apporter, apporter voilà, un changement. Ouais. Vous avez fait ça Pas encore, on est encore okay. sur le projet. D'accord. Ah, Aja, ah, wana harkan nan ta ci tuwa kwarya. Wala? Tana ci mini tuwa <laughs> kwarya. Tana ci mini tuwa kwarya mu duka, Oui, eh, amis gens de la FADA, vous avez compris, nous sommes à Damagaram, oui. Maintenant, qu'est-ce qui explique vraiment eh, la situation, le phénomène de la mendicité ici, avec les enfants, surtout les plus jeunes, des enfants de 4 ans, 5 ans Bon, franchement, moi, je condamne les parents, surtout les parents pères. Au fait, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Ils laissent tout sur la peau de la femme sachant que la femme ne travaille pas, n'a pas un revenu fixe. Au fait, elle-même, elle n'arrive pas à se prendre en charge. Comment elle peut prendre en charge toute la famille Du moment où déjà le père peut-être même ne travaille pas, n'arrive pas à éduquer bien ses enfants. Du coup, elle n'a pas le choix que de les envoyer en ville pour traîner. Et sûrement, c'est les petits enfants-là qui traînent partout. Ils dérangent non seulement les gens, ils volent aussi. Impolitesse, ça ne manque pas. Surtout les enfants-là. Il y a un petit même au marché façon, il harcèle les gens. Lui, déjà, on ne peut pas le taper. C'est un petit. Il ne peut pas voir les gens passer sans pour autant. Il va prendre ta main. Hmm. Tanti, Bani Kadago, tu dis tu n'as pas, il va te suivre. Hmm. Lâche-moi, il refuse. Et, oui, et puis il y a sa mère qui est à côté, qui regarde la scène. Presque tout le monde le sait. Des enfants comme ça, en tant que structure des filles, quelle solution vous préconisez pour ces genre des enfants on peut les prendre, les amener dans un centre de réinsertion. Comment est-ce que ce qu'on doit faire Sensibiliser les parents, leur donner les moyens ou bien qu'est-ce qu'il faut faire Voilà. Si en tout cas l'État peut faire ça, mhm. ça serait vraiment avantageux pour le pays. Construire certains centres mhm. de rééducation pour les enfants comme ça. Et interdire de les voir traîner, traîner. Genre, si l'État fait pour lui, les gens aussi peuvent aider ceux qui ont les moyens. De temps en temps, si vous remarquez, je peux prendre un exemple des chrétiens. Oui. Ils sont rares à les mendier. Euh, pourquoi Parce que là-bas, il y a des orphelinats qui gardent des enfants. Les enfants sont là, même si les soeurs ne peuvent pas tout faire, il y a des gens qui vont venir amener les dons, donner, donner. Même les musulmans pas donner. Les habits, sarderie les macarons, nourriture, tout. Souvent, c'est de l'argent. Il pas aider. Donc, ces enfants-là ne vont pas sortir aller traîner, chercher. Et puis, on va les éduquer. Mhm. Si ici aussi, on peut avoir plusieurs centres. Parce que si c'est un, là, ça, ça, va pas. Voilà. Ça va pas aller. Voilà. Donc, l'État fait ça. Et puis, ceux qui ont les moyens aussi, ils vont essayer d'aider. D'accompagner. Voilà. Parce que si on dit l'État seul, ça n'a pas avancé. Ça va pas avancer. Et interdit de les voir circuler. On leur dit, si on vous voit circuler, on va vous arrêter. Même s'ils ne vont pas les arrêter, en tout cas, on va les faire peur, quoi. Mhm. De sorte qu'ils ne vont pas oser traîner, traîner partout, en train de déranger. Ok, merci beaucoup pour la solution proposée. On va écouter la rubrique rose. Après, on se retrouve à la FADA. Et la FADA, où il y a des hommes qui viennent d'arriver, ils sont là. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Bonsoir les filles, c'est Maria. Je fais découvrir des produits utilisés par les femmes targui pour avoir un beau visage. Puis dans l'espace euh, santé et bien-être avec moi vous allez découvrir comment la qualité et la quantité du sommeil impactent notre bien-être. Enfin, en cuisine avec moi Fanta, nous découvrirons quelques astuces qui facilitent la vie. Coucou les filles, c'est Madame qui revient. Ce soir, nous allons parler d'une astuce traditionnelle qui utilise les jeunes filles, surtout les filles Touareg. Il s'agit du bienfait du curcuma et d'un tissu teinté d'une teinture spéciale sur le turban. Ces deux astuces sont utilisées en gommage pour hydrater en profondeur le peau sèche, facilitant le nettoyage des cellules mortes pour que notre peau soit encore plus éclatante et lumineuse dans les occasions spéciales comme les mariages, baptêmes et j'en passe. Écoutons Mosouda Jahar, une jeune fille qui tient un salon de coiffure à Agadez qui nous donne plus de détails. To su wannan kayan gyaran jiki ya kunshi wani abu da ake ce ma magina. Magina kirkima kenan da harshen turanci. Maginan nan ce muke gyarawa muna haɗa ta da abubuwa wanda suka shafi eh, kaya irin na gargajiya kamar su turkuɗi wanga wanda muke sawa da duka dai abubuwa wanda dai suke gyara fata da su ne muke haɗawa ciki muna shahawa a jikinmu. Tabbas wannan eh, babbar kariya ce musamman ma ga mata wanda suke zuwa kamar biki in zai hidda haka cikin rana ka tewar wata sabga kana iya ka shaha wannan maginar ta mais attendez les filles personnellement le tissu là je trouvais ça salissant. Je savais pas que ça pouvait avoir des vertus sur la peau. sur les fauteuils, tu vois, ça laisse des taches, euh, mais quand même avoir des vertus sur la peau. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est une découverte. Merci, Mariam. Ah, pas de quoi. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans l'espace santé et bien-être et aujourd'hui nous allons parler de l'impact de la qualité et de la quantité du sommeil sur notre santé. Savez-vous que le sommeil d'une durée et d'une qualité adéquate améliore l'attention, le comportement, la mémoire et l'état général de notre santé mentale et physique Je ne sais pas si vous le savez mais on va le découvrir. Il aide en outre l'organisme à maintenir et à réguler plusieurs fonctions vitales. Mais quels sont les besoins de sommeil en moyenne, un sommeil de qualité dure 7 à 8 heures entre 23 heures et 7 heures et l'endormissement prend un quart d'heure. Que se passe-t-il si l'on manque de sommeil L'insomnie chronique peut avoir à long terme des conséquences irréversibles sur la santé. Elle peut entraîner une diminution des capacités cognitives et intellectuelles. Cela commence par un déficit de concentration, une perte d'intérêt et de patience. Puis la moindre tâche quotidienne devient ardue. Le manque de sommeil entraîne aussi une irritabilité et une agressivité quasi constante. Ça, les filles, on le constate euh, sur le travail. Tout le monde est sur les nerfs, on te parle, on crie, là, on crie, on se crie dessus. Mais qu'est-ce qu'un sommeil de bonne qualité votre sommeil est de bonne qualité lorsque vous dormez la majorité du temps quand vous êtes au lit, au moins 85% du temps total au lit. Lorsque vous vous endormez en moins de 30 minutes, lorsque vous vous réveillez au maximum une fois dans la nuit et lorsque vous vous rendormez au moins 20 minutes après s'être réveillé la nuit. Donc euh, voilà, c'est tout pour euh, l'espace santé et bien-être d'aujourd'hui. On passe à l'espace cuisine. Coucou les filles, place à l'espace cuisine. Si vous voulez éviter que votre riz ne colle, mettez une tranche de pain dessus après la cuisson. Le pain absorbe l'humidité et vous obtiendrez un riz non collant. Et enfin, une petite astuce que je tiens à partager avec vous, c'est celle des gouttes d'huile. Quelques gouttes d'huile dans la marmite, frire légèrement le riz. Vous pouvez même ajouter de l'oignon et du poivron coupés en dés pendant la friture pour parfumer votre riz et ajouter de l'eau un peu plus de la hauteur du riz, puis laisser cuire. C'est tout pour la rubrique rose de ce dimanche. Dansons sur Awinos de Nancy Ajram pour clôturer cette rubrique. On se prend la semaine prochaine pour d'autres astuces cuisine, santé et bien-être. de la FADA, euh, nous sommes à Zander au niveau de la direction euh, régionale de la jeunesse. FADA euh, Les mecs qui sont là, on est en train de chercher des solutions pour lutter efficacement contre la mendicité ici à Zander et au Niger de manière générale. présentez-vous d'abord. Hein, moi c'est Ismail Hamim Amarabiou du groupe d'initiative citoyenne des jeunes. Ok, initiative citoyenne des jeunes, en tant qu'initiative citoyenne des jeunes, qu'est-ce que vous vous proposez comme solution pour lutter contre la mendicité ici à Zander Alors, pour lutter contre la mendicité, d'abord, il faut briser ce mythe-là qui est là. Parce que fait, la pression ne va rien résoudre. Tant qu'on dit non, il faut réprimer, il faut sanctionner, ça ne va pas résoudre les choses. C'est comme aujourd'hui la lutte contre la consommation des stupéfiants. On a tellement arrêté, on a tellement emprisonné, mais les gens en consomment d'ailleurs plus que ce qu'ils en consomment par le passé. La pression ne va que faire empirer les choses. Mm. C'est pourquoi il faut suivre les choses de manière souple, pas de manière lâche aussi, mais de manière souple, c'est-à-dire il faut aller pas à pas. Donc, j'estime que ce mythe-là qu'il a, pour le briser, il faut d'abord faire ce travail de conscientisation qu'il faudrait mener. Aujourd'hui, on a tous compris que les activités de sensibilisation qu'on est en train de mener ont leurs limites. C'est-à-dire qu'il faudrait sensibiliser de telle sorte que le sensibilisé puisse être un ambassadeur également pour sensibiliser son entourage. De telle sorte que quand on sensibilise un citoyen, qu'il puisse, n'est-ce pas, comprendre les tenants et les aboutissants de la situation contre laquelle il a été sensibilisé, de comprendre le danger dans lequel il vit et de prêter serment qu'il ne va plus jamais évoluer dans la situation et par cocher, sensibiliser même les autres à abandonner, n'est-ce pas, le phénomène. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Tant qu'on va continuer à emprisonner, récemment même, il y a, il en a jusqu'à combien 49 femmes et enfants qui ont été qui ont été emprisonnés ici à la prison civile de Zander. Mais par la suite, ils ont été relâchés. En fait, ceux-là qui croient fermement à la mendicité, parce qu'eux, ils croient, ils pensent que leur avenir est dans la mendicité, plus on les empêche de partir, ou plus il y a les lois qui repriment le phénomène, plus pour eux, ils ont raison. Plus ils ont raison, et plus ils vont se dire qu'il faut aller dans ce sens. Et donc, on ne fera que aggraver la situation. Donc, il faut aller pas à pas. Pour moi, mhm. ceux qui viennent en ville, par exemple, pour cette question de malicité, ils se cachent derrière l'apprentissage du, noble Coran, des hadiths, et si on voit un peu. J'estime qu'il faut résoudre le problème à travers leurs vœux à travers les objectifs qui se sont fixés eux-mêmes à travers cette mendicité. Comment faire Il faut créer des écoles coraniques en bonne et due forme. Et ça, c'est dans les localités où ce phénomène est en train de sévir le plus. Mhm. Quand on va créer des écoles coraniques, on va engager des marabouts qui seront chargés principalement de cet apprentissage-là ça va éviter à ce que les gens puissent se dire il faut envoyer des enfants dans les villes, dans les centres de ville pour apprendre le noble Coran, parce que c'est tout ça qui amène cette mendicité. Tu envoies un enfant sans moyen de subsistance, même le marabout ne peut pas prendre en charge quand même l'enfant. Et c'est pourquoi l'autre solution, c'est d'exiger à ceux que ceux-là qui vont envoyer leurs enfants, par exemple, dans les centres-villes pour apprendre le Coran et les hadiths, qu'ils puissent les envoyer avec leurs moyens de subsistance. Et on a compris que même pour certains marabouts, c'est devenu du business. Du business, voilà. C'est devenu du, business. Il y a des LH, il y a des Richard qui les appuient à hauteur des, millions, mais on ne voit pas là où ils sont en train de mettre, n'est-ce pas, ce, cet argent. voyez Mais ce mythe-là, il faut le briser. Et en plus, il faut inculquer l'amour du travail de l'esprit, n'est-ce pas, principalement des parents. Mhm. Parce que nous sommes dans cette situation où il faut plutôt éduquer les parents et non les enfants. Les enfants. Merci beaucoup. Si on va revenir à vous, euh, je vais un peu résumer ce qu'elle a dit en Zarma. En résumé, SGO Kansar Kwagangana Manekala, Borai Imakai Gaudangai Bora, Mantimo Kan Bora Dikasio, Wolmo Bora, Taunu Yan Wolim Deni Boraga, Imnig Bora kar. Borakar, Ngonogati, Miso Bonsango. barkar yango hankangana borem ko gwada ane kadada ikai imazanke here biri yadi mono kurana da dina ki go gudan jine imnon guyan te ise kara ig kurani cew matka himanda yadin mono kan sinda barkar yan walmu muradu fo kulu im kai da igzan kai biri mai rai biri da man tadin no kulu muradu asite da ino matka ir barada voilà eh, amis jeunes de la fada avant de poursuivre notre émission on va écouter une musique que les jeunes des Anders qui sont d'ailleurs très très chauds vont nous proposer. la musique proposée par les jeunes de la FADA aujourd'hui. Nous sommes euh, au niveau de la direction régionale de la jeunesse des Anders. Chef, euh, vous allez vous présenter et puis... Et tout d'abord, je me nomme au nom de Saleh Abdoulaouli. Euh, par rapport à ce que vous venez de nous demander, vraiment, euh, quelle contribution, n'est-ce pas, pour les jeunes pour mm. venir la, la, mendicité dans nos chères régions. Évidemment, évidemment, évidemment, vraiment, j'apprécie mon prêt nécessaire vraiment d'exprimer ses propos par rapport à cette situation. Et aussi, moi, ça ne me manquait pas. Je vais rajouter aussi par rapport à cette situation. Moi, j'en vois et eh, par là les défauts. D'abord, c'est les défauts de notre politicien. Aujourd'hui, vous voyez, vous remarquez, une fois le lure de la localité, il s'en va, il ne reviendrait plus jamais. Si, sauf si que c'est pas aussi eh, la tendance politique qui a fait eh, en sorte de revenir dès le village. En fait, maintenant, qu'est-ce qu'il devrait faire maintenant ils devront vraiment eh, revenir voir les citoyens, le peuple là, les lecteurs là, en proposant quel est votre problème d'ailleurs. Cherchez les problèmes et puis les résoudre, c'est ça la meilleure solution. Pour bannir vraiment demander la mendicité aujourd'hui, c'est de cette manière que l'État doit progresser. Et aussi, je retire pas vraiment ce que j'ai dit eh, en Haussala, là, uh-huh. vraiment la méthode des contraceptifs là, vraiment il faut la revoir aussi. Parce que vraiment, ça là aussi, ça contribue vraiment à nos citoyens vraiment de se mendier. Ok, ça que c'est parce que les gens ils ne planifient pas leur naissance. Voilà, c'est ça, vraiment il y a beaucoup d'accombrements. ok, c'est ça en fait. Euh, merci beaucoup, merci à euh, de la FADA. Euh, Haja, on est en train de chercher des solutions. Prends le micro, euh, Hajara. Parle-nous des solutions. J'ai pas vraiment beaucoup d'idées, hein, mais je pense que la solution que je vois pour finir avec la mendicité, je reviens vers l'État. Ce n'est pas toujours intéressant de, se focaliser sur l'État. Mais là, vraiment, il faut, que l'État prenne la situation en main, comme il le fait toujours. D'ailleurs, on sait tout ce que l'État fait de son main dans ces domaines. Il faut vraiment créer des activités pour ces femmes. Parce que si une femme travaille maintenant, elle peut s'occuper de son enfant, c'est question. Moi, je pense que c'est ça vraiment en fait le problème. Les femmes n'ont pas des activités génératrices de revenus. Elles n'ont pas un revenu mensuel pour qu'ils se prennent en charge, et même quand je l'avais dit précédemment, à plus forte raison prendre leurs enfants en charge. Il faut vraiment créer des centres aussi pour former ces enfants. Voilà, des centres de formation, des métiers comme on les voit ici en ville. On les fait donc, il faut vraiment ça. Voilà, c'est l'ajout que je peux faire. D'accord, merci beaucoup. Vous pouvez compléter votre idée Je vais appuyer d'abord sa, dernière idée. Et il faut créer ce genre de centre qui vont, qui vont euh, être chargés spécialement, euh, n'est-ce pas, d'intégrer les enfants mendiants et même les mendiants qui sont adultes. Est-ce que vous voyez un peu Parce que plus on va les capturer pour les intégrer, n'est-ce pas, dans ces centres-là, ils vont apprendre des, métiers, des petits métiers qui vont les permettre quand même de subvenir, n'est-ce pas, à à leurs besoins. Mais j'estime qu'il faudrait aussi changer nos manières de faire, principalement la posture du politique aujourd'hui dans la lutte contre cette malicité. C'est plutôt une posture qui fait aggraver les choses. À travers les partenaires techniques et financiers de l'État, je vous assure, on est en train de faire aggraver les choses. Mais j'estime qu'il faut aussi miser sur la question de l'emploi des, parents en même temps, et, mais aussi des, jeunes, parce qu'on ne peut, en tout cas, ça serait une ironie, estimée pouvoir lutter contre la mendicité sans pour autant attaquer ce, ce fléau-là qui est là, la question du chômage, la question de euh, l'appauvrissement, n'est-ce pas, de, de toute la population. Mais là, il faut surtout se dire que nous avons quand même les potentialités nécessaires pour se développer. On a vraiment les potentialités nécessaires. À travers seulement la saison pluvieuse, les cultures de contre-saison que nous pouvons favoriser, je vous assure, on peut en finir avec cette histoire de mendicité. Je vous ai dit, quand vous prenez seulement euh, le département de Cantier, à 99%, la terre de Cantier est cultivable. À 99%. Ils ont de l'eau. Même s'il n'y en a pas, on peut créer les conditions. Moi, j'estime que vraiment c'est là, il faut, il faut en tout cas euh, appuyer. Et vous savez, tout est une question d'état d'esprit. Hein. L'être humain, c'est comme une brique, comme on le dit. Mhm. On le construit. Et c'est de la manière à travers laquelle on l'a construit qu'il va être élevé. Si nous ne prenions pas garde pour attaquer le problème dès maintenant, les enfants là qui ont été initiés dans ce phénomène de mendicité, ils vont grandir et ils ne seront plus jamais rattrapables. C'est eux qui vont être demain dans les rues, qui vont nous inquiéter, qui vont nous euh, empêcher de dormir tranquillement et donc empêcher, n'est-ce pas, ou empiéter sur le développement économique même du, de ce pays-là à travers euh, le, terrorisme, à travers euh, le banditisme armé que nous sommes en train de connaître. Et l'autre solution, ça revient toujours à l'État. Voilà, euh, Saleh merci beaucoup. Euh, Mongode, merci. Amis de la FADA, avant de clôturer notre émission, on va écouter la chronique de l'émission Tous à la FADA et on se retrouve. Bonjour chers amis, jeunes de la FADA. Bienvenue dans la suite de notre chronique sur le sujet civisme. Aujourd'hui, nous allons découvrir d'autres facettes du civisme. Une autre facette cruciale du civisme est l'engagement citoyen. Les jeunes ont le pouvoir de faire entendre leur voix et de participer activement à la vie démocratique du Niger, s'impliquer dans des initiatives locales, participer aux élections et exprimer nos opinions de manière constructive sont des moyens concrets d'exercer notre citoyenneté. Le civisme est aussi la solidarité envers les plus vulnérables. En tant que jeunes leaders, nous pouvons contribuer à soutenir les personnes défavorisées en encourageant des actions humanitaires, en participant à des projets sociaux et en sensibilisant notre entourage aux besoins de ces communautés. Enfin, le civisme exige une attitude responsable envers l'éducation et l'apprentissage continu. Nous devons valoriser l'éducation et faire preuve de diligence dans nos études pour acquérir les compétences nécessaires pour contribuer de manière significative au développement du Niger. En conclusion, le civisme est le sens même de la cohésion sociale au Niger. En tant que jeunesse consciente, nous avons un rôle crucial à jouer dans la diffusion de ces valeurs auprès de nos auditoires, en promouvant le respect de l'environnement, la diversité, l'engagement citoyen, la solidarité et l'éducation. Nous œuvrons ensemble pour un Niger plus fort et uni. Engageons-nous alors, chers amis, en faveur du civisme et soyons les artisans d'un avenir radieux pour notre pays. Merci de votre écoute et de votre engagement envers notre belle nation nigérienne. Ciao ciao, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'était là la chronique de l'émission Tous à la Fada. Ainsi prend fin notre émission. Ne meneur kapton kono fakara kan yar maru mer gara fondo goy e de suro ko karo furta jar ko gangali se ikande de bari bobo dum dum bobo kangana bore mo ad barkar yan woni zer la bokura matkara hangani se dano bore o ne kan manti keddi gidabu yanno manti fono lakal kanai da bon ferreira muradu a kulbite bin non guyan gorani kara gizan biri ima no muradu zamine de bornya gogoy kulu asibolata ampoy mouradou fote ampoy barkariente wala ampoy frise fo tere fora yadin mono i gonag jin dan kantio bore ga in kay gaw dan gangde wona kwara ke na zamine nonguno kan tubar kala bor men gidu mara yadin mono har bo bu gen gite demo ini mi jandi demo hayan ayi ke gamara jama jando no kay sigi da hayan ayi ke gamara planification familialu ngom bora gen kan de sande yon ya, kan na zan kay gogba wodin kan barkariya azza wassalam